Ok, so Tamboy, on était euh, un groupe de potes qui euh, cinéma le Paris, quoi, euh, euh, pour, regarder un film. Et, mais sauf que nous, perturbé mon Donc tout le film, on a fait que perturber. Chaque action bouki, non, you, qui, on a fait que perturber tout le film. Et dans la salle, il y avait des gens qui nous insultaient, quoi. Vos gueules, taisez-vous, on vous suivre. On était là, on t'emmerde, <laughs> Lydia, et est qui, mais filles, vous vous direz, on sort de la salle on veut sortir de la salle quoi donc on est là on marche pour sortir de la salle et on voit que il y a un, truc qui se passe dans la salle mais vers la sortie là il y a quelque chose qui bloque en fait tout le monde quoi il y avait un il <laughs> y avait un gars euh, c'était un toubab hein waa ji xoolal bon bref un costaud quoi le gars il était là, ils sont où les gamins oh, Et sa femme essayait de le retenir. Elle lui disait non, mais laisse-les, c'est des enfants. Il a dit non, non, il va régler ça. Je au C'est-à-dire que quand les gars ont vu la taille du gars avec ses tatouages, tout ça, gain, bitaro, nous on était des gamins à l'époque, comment c'est qui comment c'est nous quoi. Il dit ils sont où, ils sont où Donc il tient le, un, un, pote à moi, il que non, c'est pas moi, c'est eux quoi. Il dit eux, ils sont où Ils se tournent, il commence à parler rek ma bon xaaral ma jéngu rek mu commencé wax rek mané ko hey j'ai commencé à lui parler quoi j'ai fait ma main comme ça quoi c'est-à-dire que je me suis retrouvé sur le fauteuil c'est-à-dire gars il a pris ma main il m'a fait une phase je sais pas si de l'aïkido xam lu ma def man j'ai dans ma naaw je me suis retrouvé sur un fauteuil mu xool ma ne tu me parles pas comme ça hein. je fais ça je regarde mes potes me gis gars yi xoola di ko romb ndànk naan excusez-moi di def gars yi di romb ci ginnaawam génn bàyyi ma ci biir <laughs> ma ne je me suis reposé comme ça sur le fauteuil, j'ai regardé l'action, j'ai dit ok, donc j'ai rien dit. Il a commencé à insulter, les gens l'ont calmé, finalement il est sorti du, cinéma. Nous on a fermé nos bouches, comme si de rien n'était. Bon, je dirais pas qui étaient mes potes, hein, c'est pas grave. Je, je vous pardonne, bande de salauds. <laughs>